forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Actualité oblige, ce soir, nous abordons ce forum avec la nouvelle du jour, à savoir le tout nouveau gouvernement de la deuxième mandature du président Issoufou Mahamadou qui est tombé hier soir avec à son sein des membres du MNSD Nassara. Dans un premier temps, nous allons suivre la réaction à chaud du impère Djamouria d'Albade Abouba. Ensuite, vous suivrez également la réaction du moderne Falumana avec euh, le porte-parole de la jeunesse du parti et l'analyse du spécialiste de la chose politique. Et enfin, nous nous, nous nous intéresserons également à la situation sécuritaire en Libye voisin cinq ans après la chute du régime Kadhafi, avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler. Voilà donc l'essentiel euh, pour le menu de ce forum de ce jeudi 20 octobre 2016. Euh, Le mouvement patriotique pour la République, euh, le impère Djamouria euh, Delbade Abouba a, accueilli favorablement ce nouveau gouvernement de la deuxième mandature du président de la République Isifou Mahamadou. Selon le secrétaire à la communication du impère Djamouria Siraji Isaka, le parti d'Albadé euh, Abouba restera fidèle au président de la République en l'accompagnant dans l'exécution de son programme au sein du gouvernement. Suraju Isaka est au micro de Moussa Hassan. Oh, ce intervient dans un contexte politique euh, un peu particulier avec notamment l'arrivée du MNST, et c'est ça qui justifie aujourd'hui cette retouche de l'équipe gouvernementale. Je pense très bien, c'est une bonne chose pour notre pays, et je pense le président de la République, celui qui a la responsabilité de composer le gouvernement, il en a pris sa responsabilité. Donc le Nigérien, certainement, chacun doit dire ses opinions, ses pensées, mais le plus important, c'est que le gouvernement doit s'atteler aux vraies questions de défis, défis sécuritaires, notamment au niveau de chaque frontière de notre pays, quand vous regardez un peu, à quelques exceptions, il y a des menaces. Et je pense que ce gouvernement sera un gouvernement de défis. savons que votre parti a un certain nombre de ministres au sein de l'ancien gouvernement qui ont été revus un peu à la baisse. Ils ont été remplacés par les ministres du MNSD. Que pensez-vous de cette situation Nous, on ne va pas. Nous sommes très différents des autres partis politiques. Pour nous, euh, c'est quelle peut être notre contribution en tant que parti politique pour la construction de ce pays, pour la consolidation de la paix, de la démocratie, ainsi de suite. Vous n'avez jamais entendu le MPR faire des déclarations par rapport, effectivement, à l'arrivée des autres. Nous pensons et nous estimons que c'est une bonne chose pour notre pays de prendre en charge une partie importante de l'opposition. Je pense bien c'est c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut encourager le président de la République, le gouvernement, d'avoir fait cette ouverture. Ne pensez-vous pas que les ministres qui ont été déchus vont être un peu frustrés et même vouloir quitter le parti Moi, je ne suis pas de ceux qui ont cette conception de la politique. Euh, ce n'est pas parce que seulement on a un décret ou bien on est ministre qu'on va <laughs> rester dans un parti politique. Il y a des centaines de milliers de militants. Parmi eux, il y a peu de personnes qui vont être nommées dans un gouvernement. Donc le plus important, et c'est moi mon souhait, c'est que les gens restent unis, considèrent que ce n'est pas seulement dans un gouvernement ou bien il faut seulement avoir un décret pour rester dans un parti. Et un parti politique a une histoire, il y a toujours ceux qui quittent et toujours ceux qui rentrent. Et c'est comme ça, un peu partout. Donc ouais, c'est lorsque quelqu'un ne trouve pas ses intérêts dans un parti politique, donc il n'y a pas d'obligation. Mais le souhait, c'est que les uns et les autres accepter de, de regarder les intérêts du parti, sa cohésion, son unité, et ainsi de suite. D'une manière générale, nous savons que les Nigériens s'attendent à un changement profond du gouvernement, voire même une réduction de la taille du gouvernement. C'est presque la même équipe, quelques Quelle analyse faites-vous de cela Moi-même, pour être franc et honnête, je souhaitais que la taille du gouvernement soit réduite. C'était un vœu. Pratiquement une grande partie des, citoyens, les gens ont estimé que compte tenu du contexte économique un peu difficile, compte tenu vraiment même de la norme, les gens ont estimé, ils ont espéré la réduction de la taille du gouvernement ça n'a pas été fait. Ceux qui ont la charge de faire ça, et ils savent pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc je ne rentre pas dans des polémiques, mais nous, nous avions effectivement souhaité que la taille du gouvernement soit réduite. Nous savons, comme vous l'avez dit, le Niger est un pays de défis, notamment sur euh, beaucoup de secteurs tels que l'éducation, les finances. Et apparemment, il n'y a pas eu de mouvement dans ces secteurs-là, en dehors du ministère des Finances. Et bon, en fait, euh, les attentes des citoyens, les gens ont attendu un petit changement on a constaté globalement qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Ceux qui ont la charge et la responsabilité de changer l'ont pas changé. Mais nous, en tant que citoyens, on n'est que juste des observateurs. On n'a pas la décision, on ne participe pas à la prise de décision. Je pense que ces des observations sous forme de critiques. cette taille-là est euh, vraiment trop pour un pays sous-développé. Je parle en tant qu'économiste. Franchement, c'est trop pour un pays qui a une difficulté de, pratiquement de tout genre, un pays extrêmement pauvre, quoi. Sur le plan politique, vous êtes un allié de première heure, un allié de taille. Est-ce que vous ne pouvez pas un peu peser politiquement pour que cela change un peu non, vous savez, que le président de la République a été élu sur la base du programme de son parti. On l'a accompagné dès lors qu'il a été élu, il cesse d'être un président pour la majorité. Il a exposé un programme aux yeux des Nigériens. On a participé à sa réélection. Je pense que c'est à lui, à lui seul et à son parti, en tout cas d'avoir la responsabilité de prendre en charge au fait les questions primordiales par rapport aux, attentes des citoyens et de population. Donc quand on est dans une alliance, souvent il faut être loyal. Et nous, on pèse de tout notre poids pour être loyal, pour donner de bons conseils, pour tenter à travers nos cadres, apporter notre modeste contribution dans la réalisation du programme du président de la République. Je vous remercie. C'était là Siraji Isaka, secrétaire à la communication du impère. Djamouria. Dans le même cadre, du côté d'une principale partie de l'opposition politique, à savoir le Modena Falumana, l'on pense que c'est un non-événement. Selon le porte-parole de la jeunesse du parti Bana Ibrahim joint au téléphone il y a quelques instants, ce nouveau gouvernement est loin de pouvoir relever les défis du moment. On l'écoute. Bana Ibrahim, euh, bonsoir. Bonsoir, M. Mokhtar. Vous êtes du Modène FA Lumana. Le nouveau gouvernement tant entendu était tombé hier euh, soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce tout nouveau gouvernement euh, de la République du Niger ben, Écoutez, nous pensons la même chose que nous avons pensé de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui démontre clairement que Issoufou Mahamadou n'a rien à faire par rapport, il n'a rien à proposer au peuple nigérien. Son seul euh, euh, intérêt pour lui, c'est de garder le pouvoir qu'il a acquis de manière illégale. Parce que euh, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que Issou Amadou a fait un simulacre d'échange avec le peuple, soi-disant, le 3 août passé, via Twitter, où il a promis qu'à l'occasion de la pro ministériel, il reverra la taille du gouvernement. Aujourd'hui, un pays exsangue, un pays qui vit mal, un pays qui, dont tous les voyants sont au rouge, a continué à avoir 43 ministres. Donc c'est euh, la preuve que Issouf Mamadou n'a a proposé proposer au Ibrahim Bana, peut-être du 109 euh, dans ce gouvernement avec l'arrivée des ministres euh, du MNSD Nassara L'ancien parti qui était aussi surtout notre allié. Nous avons regardé un peu la liste des membres du gouvernement. Nous avons vu que le, le premier des ministres du MNSD apparaît à la 14e ou 15e position dans le cadre de, euh, du protocole, de l'ordre protocolaire des membres du gouvernement, ce qui explique que le MNFD n'a pas de poste euh, où il pèsera de manière euh, véritable sur la conduite de la politique de la nation. Bon, nous attendons de voir, mais pour nous, vraiment, je dire que pour le, même pour le MNFD, je pense que la montagne a accouché d'une souris, parce que euh, ils sont partis soi-disant, selon ce que notre allié a expliqué, pour aider euh, le Niger dans un contexte sécuritaire grave. On voit que tous les gros ministères qui s'occupent de la sécurité restent encore dans le giron du PNDS. Donc, euh, nous pensons qu'il y a eu euh, super série là. voilà, nous, attendons de voir comment le MNSD va influencer avec les postes qu'il occupe au sein du gouvernement, comment il va influencer sur la conduite de la politique de la nation que même Issoufou depuis qu'il a eu le pouvoir euh, en avril dernier. Vous parlez là des rangs qu'occupe euh, le MNSD Nassara au sein de ce nouveau gouvernement. Vous pensez donc que le MNSD n'a eu que des cocus vides ou bien des strapontins Bon, je ne parle pas de coquilles. moi je parlerai plutôt de ministères qui ne vont pas avoir une grande influence. Aujourd'hui, les grands ministères que tout le monde connaît partout, le ministère des Finances, le ministère de la Défense, de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère. Ce sont des ministères clés dans un gouvernement. Tous ces ministères restent dans le giron du PNDS ou de d'un de ses alliés pour le ministère des Affaires étrangères. Nous pensons que les explications qui ont sous-tendu le ralliement du MNSD à les raison ne peuvent pas aujourd'hui, ne se sont pas traduites euh, dans la formation du gouvernement de Mamadou. Euh, selon vous, Ibrahim Bana, du côté du modèle Falumana, on ne peut pas s'attendre à un grand changement Écoutez, nous, ne pas, pas, nous pensons que ce n'est pas en faisant du neuf avec du vieux qu'on peut changer. Le problème du Niger, il est parti du, des dernières élections passées. Issoufou Mamadou, il, manque de légitimité. Ce n'est pas en rafistonnant avec euh, quelques partis politiques qu'il va retrouver une virginité euh, nouvelle. Issoufou Mahamadou a usurpé le pouvoir, il n'a pas de programme, son programme il est irréaliste, irréalisable, comme l'a été d'ailleurs son premier programme. Pour nous, nous ne nous attendions pas du tout à un changement quelconque et euh, les faits nous ont donné raison. Donc nous savons que ce pays euh, a été conduit au bord du gouffre par Issifou. Le nouveau gouvernement va le précipiter lorsqu'on met, par exemple, un un géologue à la tête du ministère des Finances dans un contexte euh, particulier de sécheresse financière, on ne peut attendre mieux ou du bien de ce gouvernement. Autre fait dans la composition de ce gouvernement Ibrahim Bana, quand on regarde au niveau du MPR Djamouria, on a quand même remarqué l'absence de Wassal Keboukari qui est un ténor de Tilaberi, l'absence de Almo Malaumoru de Zender et Salisu Ada euh, de la région de Maradi. Vous savez, ce n'est qu'un secret du mais Les journaux en parlent depuis un ce moment que cette formation politique est traversée par une crise a été créé entretenu par le PNDS d'ailleurs, euh, puisque euh, quand on, règne par l'épée, on périra par l'épée. Donc c'est la conséquence de la division entretenue, euh, introduite par le PNDS au sein du MPR de Moula, qui s'est traduite par la mise à l'écart de cette énorme dont vous parlez. Nous, ça ne nous surprend pas parce que nous connaissons le PNDS mieux que quiconque pour avoir été un allié qui l'a porté au pouvoir et qui a en retour euh, reçu la même euh, tentative de déstabilisation. Donc, ce n'est pas étonnant, tout celui qui s'approche du PNDS doit se dire qu'à la fin, il va connaître euh, les mêmes travers que le MPR Zamoura. Est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre à une crise au niveau de ces partis ben, Écoutez, c'est inévitablement ce que cela, ce qu'on peut euh, lire à travers euh, la formation du gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, la mise à l'écart est certainement la conséquence déjà d'un malaise au sein de ce parti. Nous ne souhaitons pas, pour nous, un parti politique, même s'il est de l'opposition, euh, de, de, la majorité, pendant que nous sommes à l'opposition, nous ne souhaitons que du bien. Mais on peut craindre effectivement qu'il y ait une escalade au sein de ce parti ce que nous ne souhaitons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aussi craindre une nouvelle crise euh, du côté du MNH de Nassara avec euh, l'entrée au gouvernement de quelques nouvelles têtes bah, Écoutez, l'entrée de Nassara, comme on l'a dit tout à l'heure, a donné les raisons pour lesquelles euh, il est parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, la première réflexion quand on regarde la composition du gouvernement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de concordance entre les raisons et les postes euh, qui lui ont été attribués. Bon, euh, nous laisserons à MNSD le soin de tirer les conclusions par rapport à la formation du gouvernement. Comme nous l'avons dit au moment de leur départ, c'est un parti souverain. Il lui appartient de regarder est-ce que son alliance euh, a été récompensée à sa juste valeur. Pourquoi chez vous, au niveau du Modène Falumana, vous, vous n'avez pas répondu euh, oui à la main tendue du président de la République, Issoufou Mahamadou En ce temps, nous l'avons bien expliqué. Nous avons dit que première chose, c'est qu'on ne peut pas, et aujourd'hui le MNSD a fait les on ne peut pas croire dans la sincérité de Issoufou Mahamadou parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, il a toujours à l'occasion des fêtes, quand il dit, il a toujours prôné l'union, ça a créé l'union euh, des Nigériens. Mais les actes qu'il a posés sont aux antipodes de, euh, cette volonté qu'il euh, affirme dans ses discours. Il faut passer tout son temps à diviser les partis, à arrêter les opposants, à embastiller certains d'entre eux sur des fallacieux prétextes. Ce n'est pas les actes de quelqu'un qui veut unir les Nigériens. Nous avons dit que nous ne croyons pas dans sa main tendue et aujourd'hui l'histoire est en train de nous donner raison. Euh, aujourd'hui la formation du gouvernement démontre clairement qu'Issouf Mohamadou n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit à un quelconque allié. Il s'est accaparé de 17 postes ministériels de ce nouveau gouvernement. C'est la preuve que Issouf n'a jamais été euh, traîneur d'un gouvernement de, large ouverture ou d'union nationale. voilà pourquoi le modèle n'est pas l'Oumana. Nous avons dit que lorsqu'on veut faire de quelque chose de bon, il faut jeter les bases il faut déjà jeter les bases. Or, ici, Mahamadou ne peut pas nous dire qu'il veut que nous participions à la gestion du pays pendant que nos leaders sont emprisonnés, que notre président est contraint à un exil sanitaire. Donc, euh, le modèle par l'Umana a rejeté de manière consciente et délibérée la main tendue de Mohamed. Ibrahim Bana, on vous remercie. Merci bien, M. Mokhtar. C'était là Ibrahim Bana, porte-parole de la jeunesse du moderne FA du côté du principal parti de la majorité présidentielle, à savoir le PNDS Taraya. Nous avons tenté de recueillir la réaction des responsables du parti, mais en vain. Ce n'est qu'une partie remise. Je le disais à travers les titres, le sociopolitologue Dr Soule également enseignant-chercheur à l'université Abdelmoumou de Niamey, s'est lui aussi intéressé à ce nouveau gouvernement dû de très large ouverture. Joint au téléphone il y a quelques instants, selon lui, la montagne a tout simplement accouché d'une souris. On l'écoute. Docteur Soule bonsoir. Bonsoir. Finalement, le gouvernement tant attendu est tombé hier. Docteur, quelle analyse politique peut-on faire de ce tout nouveau gouvernement euh, d'union nationale Ce qui frappe d'emblée, c'est bien entendu le caractère pléthorique du gouvernement. Or, les gens s'attendaient justement à ce qu'il y ait un gouvernement très réduit, de 28 à 29 membres, simplement, étant donné la, situation financière du pays, étant donné que le gouvernement demande aux gens de faire des sacrifices donc, effectivement, les gens donc, ont compris pourquoi, effectivement, un tel euh, euh, gouvernement pléthorique dans un contexte de crise financière. Donc, ça, c'est déjà un paradoxe euh, que le gouvernement nous en fait. Le second élément, c'est aussi la présence, ou déjà présence toujours des hommes politiques, en tout cas des partis politiques en tant que tel. Donc, c'est un gouvernement davantage partisan ou multipartisan qu'un gouvernement vraiment technocratique donc on se fait la compétence des, ministres, euh, donc des ressources humaines. Voilà, c'est un partage euh, qui a été fait, partage pour que les alliés anciens ou nouveaux aient chacun sa place en tant que tel. Donc on a oublié en tant que tel, n'est-ce pas, l'autorité du pays, son développement du pays, c'est-à-dire la vrai contexte du pays pouvoir donc, repérer donc, euh, les rangs pour que euh, l'on puisse faire beaucoup d'économies, économies y compris dans le euh, gouvernement en montrant des c'est-à-dire ne pas que les contractuels de l'enseignement et autres la soient utilisés, parce qu'ils n'ont pas leur, leur salaire notamment. Donc, il n'y a pas tant d'exemple mis d'en haut. Je dirais que le gouvernement a fait ou aurait fait un effort pour pouvoir justement montrer aux gens que voilà, cette situation est critique et qu'il faut pouvoir faire des économies. Donc, ça, c'est déjà un raté dans, dans ce gouvernement-là qui est, on a dit, nombreux en tant que on peut aussi souligner la présence, euh, l'ancien ministre, ministres, euh, une présence très forte du ministre, notamment du BNDES, et qu'il y a des postes qui sont inamovibles. Certains ne font que, circuler des, des postes en poste, c'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, un groupe euh, réduit, un lobby fixé donc aux choses ministérielles, pas oublier, puisque ce sont les seuls apparemment compétents euh, dans le parti politique. Je pense que là aussi, c'est euh, donc la présence du quartier qui est encore très forte. Donc puisque là euh, chaque gouvernement, ils sont présents. Hein, il y a même d'autres cadres notamment qui attendent. doivent être plus qualifiés, plus compétents, sont on à fait à mesure de faire le boulot en Bien entendu, et quand on voit aussi l'adéquation post-emploi, pas toujours évident dans ce gouvernement-là. Donc les gens n'ont pas souvent les compétences euh, nécessaires de pour pouvoir occuper des postes, en tout les fonctions qu'on leur a confiées. Parce que leur background montre qu'il n'y a pas assez de ressources, de compétences euh, assez fortes pour pouvoir diriger le ministère de dans ce type-là. C'est le fait que c'est un gouvernement multiple, à la mesure où des secteurs entiers, donc, donc ministère, ont été démembrés et morcelés, ce qui fait que euh, on a des ministères euh, qui ne sont pas des noms, qui ne sont pas enfin, en vrai des ministères, exemple, vous avez le ministère de la Il y en a un, il y a le il y a l'industrie. Voyez, donc on a, on a subdivisé un ministère euh, entier en quatre pour pouvoir donc satisfaire les, les doléances les strata, donc des alliés anciens ou nouveaux en tant que tels. Euh, et surtout, cela montre qu'il y a une cohérence dans euh, ce ministère-là. Il n'y pas cohérence, il n'y a pas en tant que tel qui pourrait amener à ce qu'on trouve une logique interne à le gouvernement. D'autant plus que ce qui serait aussi important, c'est notamment de voir quelles seraient dans les politiques qui seraient mises en place, les politiques sociales. On voit que la part sociale n'est pas très élevée, que c'est euh, un partage des choix de postes politiques qui n'ont pas beaucoup pris en compte la dimension du social et, c'est qui fait que ne peut pas dire qu'il y a vraiment une politique sociale euh, dans ce gouvernement-là. Enfin, il faut aussi souligner la place des femmes qui est toujours marginale, à poste subalterne, et qui fait que la question du genre n'est pas encore tout à fait respectée, que les femmes sont toujours reléguées au second rang, au troisième rang. Il y a aussi euh, l'arrivée des six ministres du de Nassara, l'un des principaux partis de l'opposition. Oui, c'est de que je parle quand je parle des nouveaux ministres, c'est de que je parle. Effectivement, ça montre bien qu'il y a aussi une déception de la part euh, euh, donc ils s'attendaient à avoir des postes en euh, nombre important, mais aussi en qualité, des postes très importants. Or là, je trouve que ce sont des postes euh, subalternes qui ont été confiés à leurs militants. Dans tous les cas, cela montre qu'il n'y a pas en réalité cette volonté déclarée de pouvoir aider le pays pour la sécurité, pour le développement social, politique nationale. On voit bien que c'est plutôt pour occuper des postes parce que certains de ces cadres donc, dont le sont en situation de chômage, sont dans une situation difficile. Donc il n'y a pas, on ne voit pas effectivement l'adéquation entre les objectifs fixés donc multinationales le fond du parti des idéaux tels qu'ils ont programmés et n'est-ce pas la place des ministres euh, MSD dans ce gouvernement-là. Ils ne peuvent pas agir, ne peuvent pas être importants pour pouvoir intervenir au niveau plus important. Donc juste n'est pas donc le second couteau en place juste pour pouvoir pour euh, la forme, si on peut dire, en pour pouvoir donner une sorte euh, d'image multinationale, mais en fait, ce sont des ministres qui euh, n'ont pas des places importantes. C'était là le, sociologue, le sociopolitologue Dr Soulaadi, également enseignant-chercheur à l'université Abdou et de Niamey. autre chose à présent dans ce forum, la neuvième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye a pris fin hier soir à l'hôtel Gawé de Niamey. Prenant part à la réunion, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, exhorte les pays voisins de la Libye et notamment la communauté internationale à s'investir pleinement pour la recherche d'une solution durable de sorties de crise en Libye. On l'écoute. Martin Kobler, bonsoir. Bonsoir. Vous venez là d'assister à la neuvième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette réunion Est-ce que ce n'est pas une réunion de trop pour euh, la Libye Non, je ne crois pas du tout parce que les pays limitrophes sont affectés par l'instabilité, par le terrorisme, par l'immigration illégale et ce sont les pays voisins qui sont affectés. Euh, c'est pourquoi c'est très important d'avoir cette réunion. C'était la neuvième réunion et le point que j'ai fait, c'est de ne pas faire seulement des déclarations, c'est très important, de développer voilà une approche commune qui est très important, mais aussi d'agir. Et vous avez totalement raison, il faut des actions concrètes maintenant pour mettre en œuvre l'accord politique libyen. Qu'est-ce qui est à la base de ce conflit plusieurs années après euh, la chute du régime de Kadhafi Voilà, je crois que la communauté internationale a laissé la Libye seule après l'intervention. Hein. On a intervenu, mais après l'intervention, on a dit maintenant, euh, vous pouvez faire votre révolution euh, vous-même. Je crois qu'on n'a jamais se focalisé, focalisé sur l'entité des problèmes. C'est l'infrastructure, la, la stabilité, la question de la reconstruction après la guerre civile. On se focalise sur le terrorisme, sur la migration, les, Européens avant tout, euh, mais on n'a on a jamais développé un concept pour, pour le pays. Mais une chose est très importante, c'est le processus pour les Libyens, c'est l'appropriation. La communauté internationale est ici seulement pour soutenir. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette réunion maintenant, parce que euh, ça a montré encore une fois qu'on a une approche euh, commune et on va la main de la, dans la main avec euh, toutes les organisations internationales, avec la Ligue euh, arabe, avec euh, l'Union européenne, avec l'Union africaine. Je crois que c'est très bien parce que seulement si on est unis et si on n'a pas des fissures dans la communauté internationale, le projet de processus du paix en Libye peut réussir. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kobler, est-ce que ce conflit ne profite pas à certains groupes d'intérêt tant au niveau de la Libye qu'au niveau de la communauté internationale ou bien les grandes puissances. Mais tout, à fait. Alors, mais c'est dans pas seulement la Libye, c'est dans tous les processus euh, euh, politiques, euh, chacun a les intérêts. On a des intérêts légitimes et illégitimes. Mais les intérêts légitimes des pays, des pays voisins, c'est d'éviter les répercussions de l'instabilité, le terrorisme. Qu'est-ce qui se passe si les terroristes ici, on, nous sommes au Niger, on a un spillover du terrorisme de la Libye, on a Boko Haram du Sud. La Libye, euh, l'Égypte, ils ont une frontière de 1000 kilomètres. Le Tchad, j'étais hier à Djamena, ils ont une frontière de 1000 kilomètres. Et c'est très, très difficile de contrôler ce sont les armes, les drogues, les êtres humains sont trafiqués et c'est le terrorisme qui est exporté. Et c'est pourquoi ils ont leur intérêt. Ce sont des intérêts légitimes de combattre le terrorisme. On ne peut pas négocier avec des terroristes, on peut les combattre seulement. D'autres choses, ce sont euh, euh, aussi des choses qui, qui doivent être, être réglées. Les, les euh, voilà, euh, l'économie. Tout le monde peut profiter de l'exportation du pétrole de la Libye en Europe, mais, dans le monde entier. C'est bien pour les Libyens, c'est bien pour pour ceux qui reçoivent le pétrole. Alors on a les intérêts, oui, mais il ne faut pas interférer dans les affaires internes du pays. c'est très important. Il faut assister le pays. Il faut vraiment soutenir. Parce que pour nous, les Nations Unies, c'est important d'assister le peuple libyen parlant avec les interlocuteurs, ceux qui n'ont pas une voix, d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, les vulnérables, les femmes et euh, les autres groupes euh, qui sont faibles. Euh, pas seulement de discuter politiquement, mais la situation humanitaire n'est pas tellement bien. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Le pays a 100 hôpitaux et seulement 4 d'entre eux fonctionnent avec 100%. Et 50% de tous les hôpitaux en, en Libye fonctionne avec une, avec moins de 25%. Et ça, dans un pays riche, un pays riche qui a des réserves pétrole les plus larges dans l'Afrique. Alors, euh, je voudrais dire, il faut vraiment pousser maintenant les interlocuteurs politiques et sécuritaires de ne pas mettre leur intérêt particulier sur euh, les intérêts du peuple libyen. Ce matin, dans votre discours, hein, vous avez signalé qu'il y a plus de 26 millions d'armes qui circulent en Libye. À quand la fin du conflit en Libye. on ne peut pas euh, euh, euh, dire ça. Un processus, c'est un processus. Alors ça dure du temps. Et Gaddafi a régné le, pays avec des moyens dictatoriaux pendant 42 ans. 42 ans. Il n'a jamais établi des institutions fortes. C'est pourquoi, pour la première fois maintenant, peut-être dans l'histoire de la Libye, le Conseil présidentiel et le gouvernement d'accord national, ils construisent maintenant des fortes institutions. Mais on n'a pas une tradition. Alors ça ne marche pas d'un jour à l'autre. Vous n'allez pas réveiller demain matin et euh, vous, allez vivre dans un paradis de, sécurité et de stabilité en Libye. Non, ça prend du temps. C'est pourquoi nous sommes ici avec les pays limitrophes ici de pousser le processus sans interférer. C'est très important de laisser les décisions aux Libyens sans interférer. Est-ce que les pays voisins n'ont pas aussi leurs intérêts à défendre quelques-uns de ces pays voisins Mais c'est totalement légitime que les, pays voisins qu'ils évitent que le spillover du terrorisme de la Libye pour la population. Vous ici en, au Niger, euh, on m'a dit vous avez eu beaucoup des, attaques terroristes dans les dans les derniers jours. Et mes condoléances euh, pour pour les pour les victimes et toutes les familles qui ont été affectées. Je crois tous les euh, les pays voisins, ils ont leur intérêt et c'est de légitime. Martin Kobler, on vous remercie. Merci bien. C'était là Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à la 9e, à l'occasion euh, de la tenue de la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. La suite de ce forum, le 13 juin dernier, a été célébrée la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme, une maladie héréditaire causée par un déficit de la production de la mélamine euh, qui donne la couleur à la peau. Au Niger, il n'existe pas formellement une organisation pour la prise en charge de cette maladie. En outre, les personnes albinos sont souvent victimes de discrimination dans la société nigérienne. Euh, Kadigatou Moumouni, juriste, euh, présidente de l'Association nationale des des albinos du Niger euh, témoignent des difficultés auxquelles les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées dans la vie de tous les jours. Propos recueillis par Rahil Tou Soumana en euh, cette journée dédiée à l'albinisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre quotidien pendant votre enfance jusqu'à aujourd'hui euh, Comment ça s'est passé Je dirais que ça a été un peu difficile parce que étant une personne vivant avec un handicap, ce n'était pas facile quand on prend socialement déjà au niveau de la famille, que ce soit également au niveau du plan scolaire, il y a des problèmes. Surtout l'école, je voudrais parler de l'école parce que c'est la question qui me tient à cœur. L'école, c'est le calvaire de la personne atteinte d'alpinisme. Parce que l'élève albinos, avec la vision qui n'est pas bonne, rencontre énormément de difficultés. C'est un processus difficile. Et quand on prend également sur le plan travail, le plan fréquentation, sur le plan mariage, il y a la stigmatisation. Et tout cela constitue un problème. Voilà. Du côté santé, est-ce que vous avez d'autres euh, ennuis liés euh, à cette maladie Oui, parce que le problème principal de la personne ambulance, c'est le problème de santé. Parce que nous avons une peau qui est fragile, donc du fait du manque de la mélanine, la peau est fragile et surtout face au soleil, donc la peau ne supporte pas le soleil. En dehors de la peau, nous avons également la vision, elle est déficiente. Est-ce que ces maladies liées à l'albinisme sont prises en charge ici au Niger Avant la création de l'association, l'albinisme n'était pas pris en compte parce que les autorités, le pouvoir public ne s'intéressaient même pas à la question. Maintenant, c'est avec la création de l'association que nous avons commencé à faire le plaidoyer euh, près du ministère de la Population, auprès du ministère de la Santé. Mais jusque-là, c'est vrai que nous avons eu à bénéficier des crèmes solaires, de quelques consultations ophtalmologiques. Mais jusque-là, c'est-à-dire, il n'y a pas un plan formel, une organisation formelle qui est au nom des personnes atteintes d'albinisme au c'est-à-dire des spécialistes de la santé qui sont là, qui vont opérer au nom de l'association. Est-ce que vous adoptez euh, un comportement vestimentaire pour vous protéger des rayons solaires Y a-t-il des moments dans la journée où vous restez à la maison ou pas oui, justement, là, il y a des conseils. Et les conseils à la personne atteinte d'alpinisme, de ne pas sortir à certaines heures de la journée, par exemple à partir de 11 heures, de ne pas sortir jusqu'à 15 heures. Et même s'il y a nécessité de sortir, il faut forcément appliquer la crème solaire, c'est-à-dire la crème solaire, c'est une crème de protection contre les rayons ultraviolets qui protège la peau. En dehors de la crème, donc il y a des vêtements également qui sont conseillés, c'est-à-dire il faut avoir toujours des vêtements en manches longues. Et pour les femmes, il faut toujours porter le voile, mais aussi les verres de soleil. Maintenant, pour les garçons, il faut toujours avoir le chapeau, avoir également les verres de soleil. L'association, elle date de quand L'association date de à peu près 3 ans, moins de 3 ans, parce que on a commencé les activités en novembre 2013. Quel genre d'activités est-ce que vous avez organisé depuis sa création Le 13 juin 2016, c'est la deuxième édition. Parce que la première célébration, c'était l'année passée. L'année passée, nous avons organisé une activité, c'était sur le problème scolaire des élèves albinos, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les élèves albinos. Le public cible, c'était les enseignants. Nous avons eu à réunir les enseignants, les responsables des établissements au niveau de la région de Niamey. Donc ça, ça concernait uniquement la région de Niamey. Bon, cette année, nous n'avons pas prévu d'activité particulière du fait de problèmes de financement. Nous avons l'espoir que l'année prochaine, on fera mieux. <laughs> Vous êtes euh, environ combien euh, qui sont réunis dans cette association oh Oui, l'association est nationale. Donc, euh, quand on parle de national, donc toutes les régions normalement doivent s'y trouver. Mais il y a un problème, c'est que nous ne connaissons pas l'effectif des personnes atteintes d'albinisme au Niger. On a eu à faire la situation au niveau de la région de Niamey. C'était avec l'appui de la mairie nous estimons à peu près une soixantaine comme ça au niveau de la région de Niamey. Mais en dehors de la région du Niamey, au niveau des autres régions, jusque-là, la situation n'a pas été faite. Cette maladie qui est l'albinisme est héréditaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille atteintes de cette maladie ou bien vous êtes la seule non, non, je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes parce que nous, on était trois filles toutes atteintes c'est Bon, la grande, maintenant, elle, n'est plus, elle est décédée. Elle avait le cancer de la peau et c'est ce qui l'a emporté. Maintenant, nous sommes deux pour notre mère. Vous venez là de suivre en seconde diffusion Kadigatou Moumouni, juriste, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, qui témoigne des difficultés auxquelles les personnes atteintes de l'albinisme sont confrontées dans la vie de tous les jours. Dernier élément de ce forum, euh, dans la nuit du mercredi 3 août dernier, s'est déroulée la projection du film Cerveau noir de Gingare Mega au Palais des Congrès de Niamey. Un film fiction qui traite des valeurs telles que le pardon et qui interroge certaines pratiques euh, qui doivent euh, plus avoir cours de nos jours. Yallo Mariama Kanda s'est entretenu à cette occasion avec le cinéaste Gingare Mega sur son œuvre euh, Cerveau noir. On l'écoute. Bon, le titre, euh, c'est un titre que j'ai juste imaginé parce que je voulais mettre le mot noir à travers mon film et comme j'ai eu aussi affaire à des gens qui complotent des choses de rien du tout et je les prenais pour des gens qui ont des cerveaux noirs. Celui qui n'a pas un cerveau noir ne pouvait pas agir comme ça. Parle-nous de ce film, euh, cette histoire. Bon, tout se passe autour de, des militaires, gens de Gazibo et son ami Zeini. Et aussi le général qu'ils ont impliqué là-dedans. C'est une histoire de famille. Deux jeunes gens qui ont grandi ensemble dans la même famille et qui sont partis à l'école ensemble, qui ont fait le bac ensemble. Ensemble, ils ont décidé d'aller dans l'armée. Deux grands amis qui ne se quittent même pas la nuit. Donc, une fois dans l'armée, l'autre accidentellement a aimé la, pardon, la sœur de son ami. Et puis, bon, il a pensé avoir mis enceinte et bon, maintenant, comme il ne voulait pas d'elle, il voulait se séparer. Et il trouve une situation qui peut créer pour pouvoir se débarrasser de la famille. Et il a accusé son ami d'avoir préparé un coup d'État. Comme ça, lui, il va, carrément s'éloigner de, la famille et se débarrasser aussi de la fille et de son enfant. Bon, c'est une euh, histoire inventée de toutes pièces. C'est vraiment de la fiction, c'est pas de la réalité. Et comme certaines fictions aussi ressemblent à la réalité, on peut le considérer que euh, c'est de la réalité aussi. Vous parlez de la réalité justement. Dans ce film, vous défendez des valeurs, des valeurs euh, comme l'amour et comme euh, l'esclavage aujourd'hui qui ne doit plus être d'actualité, est-ce qu'en réalité, à travers ce film, vous avez énormément à, réchanger dans, la tradition ça, c'est des choses que j'ai écoutées. Les gens parlent de ça dans des conversations, dans ce que les gens disent entre eux quand ils sont dans les fadas et ce que les gens disent de certaines personnes quand leurs parents sont en bourse, etc., etc. Donc, je suis parti de, euh, de ces idées comme ça. C'est un certains souvenirs que j'ai évoqués, dont je me rappelle bien comment les choses sont passées devant moi. Les gens qui parlent de l'esclavage, les gens qui parlent aussi de, la noblesse, euh, qui donnent la valeur de, la noblesse par rapport à l'esclavage. Ça, c'est ancré dans dans l'esprit de certaines personnes qui continuent toujours à en parler et qui continuent à donner cette valeur. Mais il faut quand même, en tant qu'artiste, amener les gens à faire comprendre que ces choses-là sont terminées aujourd'hui. Comme l'a dit, ce qui compte, c'est vraiment le travail. Je crois que c'est le résultat de l'homme. Vous parlez de ces valeurs, vous y croyez ou bien vous l'écrivez en tant qu'artiste Bon, moi je ne peux pas croire à ça parce que il n'y a, a, pas de valeur. Donc moi je ne crois pas. Je pouvais croire quand j'étais petit, mais aujourd'hui je ne peux pas croire à ça. Je connais des cas où ils ont voulu célébrer le mariage d'un monsieur avec une femme. Et les parents de la femme ont dit non. Nous venons d'entendre aujourd'hui même que son père est un esclave, sa maman est esclave. Donc on ne peut pas donner notre fille en mariage à ce monsieur-là. Seulement parce qu'il a le, c'est le titre que vous dire, esclave ils ont refusé. Parlez-nous du tournage de ce film. Bon, le tournage, ça s'est passé en un an. Euh, rare que je fasse un film en un an. D'habitude, quand je commence un film, je le finis en deux ou trois ans. Par exemple, du Noir, quand je l'ai commencé, j'ai mis sept ans pour le finir. c'était au temps de l'AFC. Il n'y avait pas d'argent. Après, c'était le temps de, Bien Il n'y avait pas d'argent au cinéaste pour travailler. Je n'avais nulle part, j'ai pas des aides de l'extérieur ni de l'intérieur. Euh, je me suis débrouillé moi-même avec mes moyens de bord. Quand je travaille sur un film, je gagnais 200 000, 300 000, j'ai mis 100 000 francs sur le travail. Et c'est comme ça que j'ai fini le film en 7 ans. Après, j'ai eu tous les problèmes du monde parce que les gens pensaient que, certains pensaient que je me suis adressé à eux. Et là, c'est différent ah, dans ce film. C'est différent. J'ai commencé le film là en, en, en, 2015 et je l'ai fini en 2015. Tout simplement parce que, bon, il faut le dire, nous avons reçu l'aide du président de la République qui nous a permis de travailler. Le peu que j'ai eu, je l'ai mis sur deux films, euh, Au plus loin dans le noir et Le cerveau noir. Et je l'ai fini, je l'ai bien fini je suis content de, le finir très vite. La seule chose qui, me gâte le cœur, il faut le dire, c'est le public qui ne vient pas voir ce film-là. Alors que les gens qui viennent le voir, ils, ils sortent toujours satisfaits. Donc ça, ça me fait plaisir aussi. J'allais en venir par rapport à cette satisfaction que vous avez eue. Vous avez une sensation de fierté. Satisfaction parce que chaque fois quand je le projette, ça fait la troisième fois maintenant, les gens viennent me serrer la main et me disent que le film est très bien. Il y en a même qui me téléphonent pour me dire vraiment ton film est sensationnel, c'est très bien, c'est une histoire du milliard, c'est ceci et cela. Ça me fait plaisir, donc je suis satisfait. Techniquement, le film est bien fait. Il y a des choses qui manquent, il y a des insuffisances parce que tu ne peux pas présenter des militaires sans fusil. J'ai le fait parce qu'on ne pouvait pas avoir de fusil. Nous sommes dans un moment où les fusils, on ne peut pas toucher. Il ne faut pas aller vers les militaires aujourd'hui avec une caméra. Ils n'ont pas confiance avec l'histoire de Boko Haram là. Chaque fois, on a essayé de trouver des même aller travailler au camp, ils nous ont refusé. Donc je suis parti avec les moyens de bord, ce que j'ai, et j'ai fait ce film-là, tout en essayant quand même de, faire ce que je peux. Vous envisagez de produire, de réaliser d'autres films encore Bon, je pense faire un film pour aider des albinos, parce qu'il y a des albinos qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, ah, toi, tu es un cinéaste populaire, les gens voient bien tes films. Nous, on nous manque des maris, Il nous nous à faire, euh, à montrer les gens quels sont les problèmes, c'est que les difficultés qui nous empêchent. Et j'ai fait un scénario sur ça si j'ai les moyens de trouver l'argent, je vais le faire. Sinon, le scénario est prêt. Inch'Allah, si j'ai les possibilités, je vais le faire. Si je ne peux pas le faire aussi, je donnerai le, scénario à d'autres personnes de le faire. Un dernier message ben, Je remercie les gens qui sont venus voir le film. Bon, je remercie aussi notre ministère de la Réalité qui a promis de faire la Renaissance culturelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dingari. C'était là le cinéaste nigérien Gingare Mega et c'est ici que se referme euh, ce forum euh, du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou. Au revoir.